Salam alaikum, salam alaikum à tous les followers de Thierry Dakar. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Red Black, El Hajja, né El Hadjia. Ok, rappeur sénégalais, national, engagé. L'une des voix qui ont vraiment participé à la nouvelle ou plutôt à la seconde alternance les blagues plus connues sur le thème de Nadem Nadem Adem Adem Gorgidano, Sunanko, etc. donc etc la paix en Casamos. donc voilà je suis venu nuyu à tour à 60 et ce que j'ai pu faire euh, en 2011-2012 pour la chute pour la chute de l'ancien régime moi je pense que je suis l'unique artiste hein. bon c'est pas par orgueil mais l'unique artiste qui a vraiment réussi à fédérer toute l'opposition du Sénégal autour de sa musique, à savoir Nadem, Nadem, Nadem, Nadem, Nadem, tu vois. Donc à savoir qui était une chanson philosophique, hein. une chanson qui était loin vraiment de souhaiter la mort à qui que ce soit. Dena, ça, veut dire c'est fini dans un langage voilà, plutôt de la rue, tu vois. Donc, euh, on a pu réussir à vraiment rehausser le niveau. On a pu réussir vraiment à se faire respecter en tant que, non seulement en tant que Red Black, mais plutôt en tant que rappeur. Parce que d'habitude, les rappeurs étaient d'une manière considérée comme des marginaux. Mais avec notre génération, je veux dire, en tant que membre de Hip Hop Campus Club, parce que voilà, donc on est sorti de l'université chez Diop avec le mouvement Hip Hop Campus Club qui a été mis sur pied par nos aînés, les Human, etc., les Maxi Crazy. Nous, en fait, euh, nous avons été la seconde génération. Et donc, euh, ce qu'on a pu vraiment cru, hein, ce qu'on a cru en cette époque-là, c'était juste une manière, encore une fois, de se, faire respecter à travers euh, vraiment le background. Parce qu'à un moment donné, il fallait que bon artiste nous, ñu pourquoi parce que bon déjà njàng am solo et puis ça te permet de mieux t'exprimer ça te permet de mieux voilà quoi développer les thèmes etc. donc d'une manière très voilà quoi. oh ouais, c'était bon déjà ma motivation c'était dans l'objectif euh, voilà, du, du, du, du, du bien-être du Sénégal, dans la mesure où tout le monde... Il y en avait, il y en avait, absolument, il y en avait. Déjà avec le corps, le, le quart bloquant, donc qui n'était pas une bonne chose pour la démocratie sénégalaise. Donc euh, il y avait aussi le projet voilà, monarchique, euh, voilà, de dévolution monarchique hein, du pouvoir, donc euh, qui n'était pas vraiment un, euh, un, bien, un bienfait pour la démocratie sénégalaise. Donc euh, c'était le peuple, c'était la patrie qui nous avait fait appel et nous en avons répondu favorablement. Non, comment, comment pourrais-je prendre part à une manifestation qui n'était que voilà, l'apanage des opposants, qui n'était que l'apanage d'un combat personnel, mais pas l'intérêt général. Donc je ne peux pas m'engager à des combats qui sont personnels parce que moi je suis trop objectif. Je ne suis pas dans la subjectivité, mais plutôt dans l'objectivité. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas dans la mesure où déjà c'était une manifestation qui n'allait pas au profit vraiment des intérêts du peuple sénégalais. C'était un combat vain, c'était un combat qui pouvait dégénérer dans la mesure où c'est des discours de va en guerre Et je pense que le Sénégal, qui est un pays de paix, un pays de stabilité, a besoin de maintenir ce cap. Car aujourd'hui, à l'heure où nous parlons de paix et sécurité à travers le monde, à l'heure où nous parlons de terrorisme, donc vraiment ça ne doit pas servir à ces derniers, à ces malfaiteurs de pouvoir s'introduire au Sénégal pour profiter de ces genres de situations, pour brûler le pays, pour créer des morts au Sénégal. Moi, je pense que les Sénégalais, ou plutôt les Sénégalais, n'ont pas intérêt aujourd'hui à créer la violence parce que ça engendre la violence et ça peut être un coup fatal pour le Sénégal. Donc, je n'avais pas intérêt à y participer. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal parce qu'il nous a insultés. Hein. Il a insulté tous les Sénégalais. Ouais, ouais. Il a insulté nos parents. On se connaît. Récemment, il faisait un baptême. J'ai passé la journée chez lui. Donc, c'est un pote à moi. Tchat, même chose. que leur manager, même chose. Euh, comment il s'appelle encore euh, euh, Le dernier membre. Donc, eux aussi, bon, c'est mes, mes, potes. C'est mes potes. De l'autre côté, il y a quelqu'un comme Malal, Malal Ce qui nous unit, ce n'est pas la musique. C'est un grand frère, c'est un aîné. On a partagé énormément de choses dans la vie. Simon, c'est ton frère. Lui aussi, on a beaucoup partagé. Donc, bon, on n'est pas ennemis, hein, mais je ne suis pas d'accord sur, sur ce discours voilà, donc si vous voulez que je parle en Wolof, il faut me le dire, que je m'exprime en Wolof, si vous voulez. Oui, Donc c'est un message. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que personnellement, je n'ai jamais attaqué Yanama. C'est à travers le discours de Tchad, ou plutôt de Kilifa, que j'ai attaqué. Pourquoi Parce que nous, les Sénégalais, ce n'est pas ce qu'on mérite. Les Sénégalais, comme j'ai l'habitude de dire, moi, j'ai eu à faire le bois sacré. Ce qu'on m'a appris, en premier lieu, c'était quoi C'était Sembarem Le respect mutuel et le respect de nos aînés. Des fois, il ne faut pas faire la comparaison. Parce que parfois, on dit que le rappeur, la Red Black, c'est là où il a chanté Gorgi et tout le monde en faisait un tube de campagne. Mais Den, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas insulté. Peut-être j'étais incompris. J'ai insulté personne. Chaque jour, des gens meurent. Donc la mort, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Et je pense que c'est pas la même. C'est pas, c'est pas le même. Donc c'est pas comparable. Mais quant à insulté le peuple sénégalais, quant à insulté les chefs religieux, ça m'a fait mal et je condamne fermement cet acte. Tout à l'heure, <laughs> j'ai eu quelques membres de Yanamar qui m'ont appelé parce que j'avais fait une sortie par rapport à ça. Ils ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je les attaque. Mais moi, est-ce que je m'attendais à ce qu'ils insultent le peuple sénégalais Non, moi, je suis un patriote. J'aime mon pays, je respecte mes valeurs. Parce que d'une part, ñun ay doomu lañ te doomu kenn donc le respect il a fait une erreur paraît-il il s'est excusé et j'en profite pour demander au peuple sénégalais nous accorder ko leur pardon parce que buñ ko deful il a insulté tout le monde et j'en profite pour ñu mais même une fois n'est pas coutume mais le conseil que je donne à Khalifa, moi il ne faut jamais plus il ne faut plus jamais répéter cette erreur là parce qu'il a touché il a touché le profond de tous les Sénégalais vraiment parce que politique même si on est en politique il y a la démocratie il faut savoir convaincre les gens par les idéaux. Il faut savoir convaincre les gens par le bagage intellectuel. Parce que moi, personnellement, je me veux respecter. Je me veux respectueux et respectable. Et donc, je lance encore une fois un appel à tous les acteurs, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, de soigner leur comportement. Parce que ce Sénégal-là, ne peut pas avancer sans le changement de nos comportements nous yar suñuy bopp nañu jiital discipline parce que aujourd'hui, les pays les plus développés discipline nous jiital Aujourd'hui, Les pays en Asie aux États-Unis comme en Europe nous nga que actuellement ils sont dans l'émergence ils sont dans le développement c'est des gens qui sont très corrects c'est des gens qui sont très disciplinés Bon, gestion bi, bon, je dirais que, voilà, tout n'est pas bon, mais aussi tout n'est pas mauvais. Parce que déjà, je moment me trop. Je me souviens, l'ancien président Abdoulaye Wade, il disait que y a deux ans. Parce que si y a deux ans, les fonctionnaires sont des verres de nous Et pourtant, les fonctionnaires sont des Le président Macky Sall, nous avons combattu waaw maanaam dañoo xeex Abdoulaye Wade le président Abdoulaye Wade ñu jël président Macky Sall ñu fal ko mais nit doo ko fal jiital ko ba pare di ko faqastal donc ce que je veux mandat wam jeexagul tey ji li ñu war def mooy ñun sénégalais yëpp man gëm naa ne c'est un patriote Macky tey jii alalu réew mi jëlu ko di ko pasar pasar lan lañuy wax dafa nay nayu la c'est parce que dafa xam ne liñ ko dénk moomu ko ah jaawaatle ko ah ñi nga xamante ni nii dañ doon jaawaatle poosu askan bi ah seen poos moo taxoon ñu doon wax Abdoulaye Wade le président dafa tàlli mais tàlliwul woon ci alalam ci alalu réew mi la tàlli woon moi qui n'a pas le droit de faire la même chose Et on peut pas bâtir Paris en un jour ndar xëyul sortir. avant mon heure, il faut que nous mette il faut qu'on s'attende à ça Mouni il a fait beaucoup de réalisations mais tout n'est pas parfait donc de ce fait ne gën a góorgóorlu ne gën a liggéey amaana mënul liggéey lépp de day rek def li mu wara def Kenen ñëw aussi def li mu wara def parce que l'État c'est une continuité mais mon, li mu di dans ses réalisations mais il a en cinq ans il a réalisé la somme de tous les présidents Ifi en cinq ans jàmbaar là. mais man ne sais pas wax mooy na un a na gor nit mënul def mais quand même na gën parce qu'il est sur la bonne voie merci bi d'autres militants parce que c'était important de souligner 23 juin c'est le peuple sénégalais avec toutes les composantes Nous avons fait pour le bien-être du Sénégal la manifestation passée il n'y avait que les militants parce que c'est des opposants Des oppositions ils sont dans leur rôle et c'est quoi le rôle Moi, je me perturber l'État, Je le président Macky Sall la politique de de de de wàccal ma je donc ce que je tirer là. aujourd'hui on a une euh, ou plutôt une jeunesse un peuple conscient éveillé et averti jot na nag ñëpp comprendre ni sénégalais yi kenn mënatu leen nax sénégalais yi kenn mënatu leen a utiliser sénégalais yi kenn mënatu leen a manipuler gis nga militant yi nga fa gis gisoo fa seeni jabar gisoo fa seeni doom les leaders politiques la ñoom seeni doom ñu ngi ci ci ci école yi gën a kawe ci àdduna yi di fayal seeni doom ngir ëllëg ñu mën a jiite réew mi et donc képp koo xamante tu es jeune jéemal ñafe bu dee yaa surtout les étudiants bu leen jéem a yàq na ngeen concentré self made men yaa ngi comprendre parce que fini, rien n'est gratuit lenn rek moom moo am solo mooy liggéey lenn rek moom am solo mooy citoyenneté lenn rek moo am solo patriotisme nous avons un peuple conscient xale yi kenn dootu leen utiliser pour ñuy dem di xeex ak ay takk der ak di bu ko defee ñu ne Macky Sall moo leen comme le cas d'Abdoulaye Abdoulaye toujours est-il que les causes n'étaient pas les mêmes l'objectivité ou les objets n'étaient pas les mêmes et donc du coup à travers cette manifestation là je salue la maturité du peuple sénégalais et de la jeunesse en particulier pour dire qu'actuellement nous sommes un pays très éveillé, très conscient, euh, Ce que j'ai pu hein, vraiment comprendre euh, nit parce que ça, violence là, nit violence la faiblesse day wane ni kooku amatul argument yi mu amoon amatul doole bi mu amoon bëgguma singale Y'en a parce que n'ai pas de problème avec Yanamar. a marre mun nañu am problème c'est pas un problème on est en démocratie que chacun maintienne ses positions mais selon les règles de l'art situation en 2012 bokku tax situation yi tay enjeu 2012 bokku de tax enjeu yi tay seul le peuple est souverain Yann Amar n'est pas le peuple mais il fait partie du peuple Donc là, je me retire. retiré Ben morceau mooy euh, hmm, no peace no love no unity jàmm salam, salaam la peace and love la des centaines de gens sont victimes de cul de jatte femmes enfants voire animaux en ont perdu leurs pattes j'en ai marre de voir mes frères s'en descendre a ah, comme cela mon avec tous ces cadavres, ces massacres qui sont un peu plus nombreux. Le peuple ne veut point de ses victimes. D'ailleurs, il a assez versé de larmes, dû aux armes qui ont fait beaucoup de larmes. Peace en Casamance, forever.